le forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio heures euh, de 15 minutes. Euh, messieurs, dames, euh, bonsoir. Merci de nous recevoir pour le forum du studio Kalangu, un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Dans le cadre du forum, nous faisons appel à des spécialistes ou des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Aujourd'hui, nous allons parler de la nécessité du contrôle de qualité des aliments importés ou produits ici au Niger. Les Nigériens mangent-ils des aliments sains Qu'est-ce qui pourrait expliquer la commercialisation et la consommation de produits périmés ou malsains au Niger Quelles sont les sanctions encourues par les contrevenants les structures euh, étatiques euh, chargées du contrôle de qualité des produits alimentaires euh, jouent-elles réellement et efficacement leur rôle Quels sont les obstacles majeurs qui se dressent dans la pratique pour l'application correcte du contrôle des produits et aliments ce sont là, entre autres, les questions auxquelles nous espérons trouver des réponses avec nos invités. Ici à Souley, chef service de la police sanitaire, bonsoir. Bonsoir. Et M. Nouri, président de l'Association de défense des droits des consommateurs ADDC Wadata. Bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Rahila Toussoumana, merci de nous avoir honorés de votre présence. bonsoir à tous. Euh, ce soir, euh, nous allons parler du contrôle de la qualité des produits alimentaires que consomment les Nigériens. Ce contrôle est d'autant plus nécessaire pour un pays comme le Niger euh, qui importe divers produits alimentaires et des céréales aux conserves. La qualité et la fiabilité de certains de ces produits n'est pas toujours garantie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nos invités vont brièvement, nous présenter leurs services et nous dire quelles sont leurs missions principales. Maman à vous. Euh, merci beaucoup. <coughs> Donc, euh, je suis le président de l'Association des défenses des droits des consommateurs et des au Data. Euh, dans les objectifs de notre association, il y a bien entendu le contrôle de qualité des produits de consommation. Il y a la question de l'aspect de prix des produits de consommation. Il y a la question de l'environnement. Il y a la question de l'assistance juridique. Donc, euh, il y en a beaucoup de choses, mais comme c'est le sujet qui nous préoccupe, c'est le contrôle de la qualité. Alors là, euh, bien entendu, nous faisons ça. Euh, nous faisons cela de deux, trois manières. La première manière, c'est le contrôle sur le marché. Nous avons des comités de répondants au niveau des, marchés particulièrement et au niveau des régions qui nous informent de la présence ou de la circulation des produits de qualité douteuse ou même des, produits avariés. Et nous, nous répercutons cette information à qui de droit, notamment les services de contrôle étatiques. Parce que nous, c'est la veille qualité que nous faisons. Ensuite, souvent, euh, quand nous avons quelques plaintes de consommateurs sur des produits consommés qui ont provoqué euh, des troubles digestifs, donc des maladies, euh, souvent nous faisons appel à des laboratoires de contrôle pour attester que oui, ce produit est à la base de la maladie que le consommateur, en tout cas, a contracté lors de la consommation du produit incriminé. D'accord. Et une fois cela, donc, nous informons qui des droits, mais le plus souvent, nous euh, insistons pour que ce produit soit retiré ou, en tout cas, euh, restitué, euh, l'argent restitué ou carrément le produit échangé par le vrai euh, produit. Donc, euh, voilà en gros ce que nous faisons. Euh, en tant qu'association. Monsieur Issia. Oui, euh, bonsoir. Donc, comme je le disais, nous sommes de la police sanitaire. La police sanitaire, c'est une structure du ministère de la Santé créée par l'ordonnance 93-13 du 2 mars 1993 à son article 111. Et cette structure a pour mission de rechercher et de constater les infractions à la législation de l'hygiène publique. Donc, euh, notre mission principale, c'est le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments. Euh, pourquoi le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments Vous savez que euh, quand on regarde dans l'histoire, les grandes pandémies que le monde a connues, essentiellement euh, euh, euh, le choléra, la peste, et récemment des maladies comme la grippe aviaire et la maladie à virus Ebola, ce sont des maladies pour lesquelles la plupart du temps, c'est le système de transport, d'échange qui est à la base de ces pandémies-là. Et alors, depuis 1969, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a créé ce qu'on appelle le RSI. Donc, euh, le RSI 1969 euh, euh, a été récemment révisé. Donc, il y a le nouveau RSI de 2005 et c'est ça qui est mis en œuvre. Et c'est dans ce cadre-là que le ministère de la Santé publique a investi la direction de l'hygiène publique à travers la police sanitaire de cette mission de rechercher et de contrôler les infractions à la législation en matière d'hygiène publique. Donc nous intervenons de deux manières. Sur d'abord les frontières, nous avons des services qui font le contrôle à l'importation et à l'exportation et à l'intérieur du pays nous avons également des services qui font le contrôle de l'hygiène alimentaire. Peut-être que nous en reviendrons un peu plus nous en, détail. Nous reviendrons un peu plus tard. On va euh, laisser le, troisième invité de se présenter. Il vient d'arriver. Monsieur oui, c'est Monsieur Hassan Amidou. Euh, je suis le chef section intervention et coordination à la Brigade nationale de la police sanitaire. D'accord. Donc vous êtes du même service, au fait. D'accord, merci à vous. Donc euh, à présent que le décor est planté, je vous propose de suivre un petit extrait de l'intervention que nous a accordé Mahmoud Hamma, un cadre du ministère du Commerce à la retraite. Il nous parle du contrôle des produits alimentaires. Le Niger est un pays qui importe beaucoup de produits, notamment les produits alimentaires, de provenance diverses. Malheureusement, depuis des mesures de contrôle de qualité. Il y a beaucoup de produits qui sont mis à la consommation sans contrôle préalable. De la même manière, sur le marché, les produits sont rarement contrôlés. Il y a également le comportement du consommateur qui est moins exigeant en ce qui concerne la qualité des produits qu'il achète. L'État, c'est à lui de prendre des mesures et de les appliquer correctement, sans complaisance. Parce qu'un produit qui est expose la population à beaucoup, notamment les maladies. Il y a beaucoup de maladies d'origine alimentaire liées à la consommation de ces produits-là. Donc c'est principalement l'État qui est concerné. Mais le problème au niveau du, je de l'État, c'est l'insuffisance des moyens en termes de ressources humaines et en termes de moyen de vérification. Parce que si vous voulez vérifier, il faut disposer d'un laboratoire qui fonctionne régulièrement avec des, ressources humaines euh, suffisantes. Il faut aller sur les marchés, faire les prélèvements, faire le suivi. mais en amont, il faut également soumettre euh, les produits à un contrôle préalable. Donc, euh, Monsieur Hassan Hamidou, qui est du, service d'intervention de la police sanitaire, quel commentaire sur ces propos de M. Mamoudou oui, effectivement, il vient euh, vers la fin de dire le nœud du problème, puisque le contrôle, quand on dit contrôle, il faut assez de personnel et il faut les moyens. Aujourd'hui, comme vient de le dire M. Issia, sur les frontières, il y a 41 postes qui ont été créés par arrêté. Et si vous constatez sur les 41 postes, aujourd'hui, nous n'avons que 12 qui sont euh, dotés d'argent, qui ont le minimum pour faire le travail. Euh, au niveau des services euh, à l'intérieur du pays, aussi c'est la même chose, c'est lié à l'insuffisance du personnel. Et qui dit intervention sur le terrain, il faut la logistique. Il faut les moyens pour aller investiguer, saisir en cas de besoin. Et tout ça, il faut les produits saisis, il faut les transporter. Sans les moyens, c'est pas facile. Donc, il a dit juste que les moyens humains et matériels sont insuffisants. Donc, euh, et selon vous, qu'est-ce qui est dû à cela Bon, euh, il y a plusieurs facteurs, puisque nos contrôleurs d'hygiène sont avant formés à l'UNSP de Zander. Et depuis une quinzaine, vingtaine d'années, la section formant les cadres moyens qui doivent faire les contrôles est fermée. Donc, il n'y a plus de cadres qui sautent depuis une quinzaine d'années de l'école. Donc, c'est ça qui a créé l'insuffisance du personnel. D'accord, merci Monsieur Hassan. À vous, Mme Nouri, qui êtes euh, défenseur euh, des consommateurs, ces propos reflètent-ils euh, la situation actuelle au niveau de votre service Bien sûr, <clears throat> je crois que M. Mahmoudou, qui était resté au ministère du Commerce, je crois qu'il est à retraite présentement, c'est quelqu'un qui connaît très bien, en tout cas, le problème ou la problématique de contrôle de qualité des produits de consommation de façon globale, pas uniquement de produits alimentaires, euh, puisqu'il y en a un service contentieux euh, rattaché au ministère du Commerce qui fait aussi ce genre d'exercice, mais le plus souvent ce qu'ils font, c'est du contrôle physique. Donc le contrôle physique sur la base de la date de péremption. Alors, euh, là, si bien dit, il n'y a pas un engagement politique fort sur la question de contrôle de qualité. Quand on regarde notre pays est presque à 80% importateur, sinon importateur net par rapport à tous les produits de consommation, y compris les produits qu'on produit ici, tels que le mil. Alors, euh, cela veut dire que si on ne prend pas des dispositions, si l'État ne prend pas des dispositions, bien sûr, avec toute l'étendue de nos frontières qui sont poreuses, on aura bien entendu de des produits de mauvaise qualité qui vont circuler. Et de facto, on aura toute une pléthore, toute une catégorie de maladies dont la population euh, euh, va, souffrir. Et c'est certainement lié à ça. Alors, non seulement il y a un manque de volonté politique, mais sur en tout cas la question du contrôle de façon globale parce que euh, je ne peux pas imaginer un service tel que la police sanitaire qui a qui a été créé, ça fait environ 15 ans, voire 10 ans, et qui jusqu'à présent n'a que 12 agents réellement sur 41 postes qui opèrent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que réellement, l'État n'est pas engagé dans la question de contrôle de qualité. Ça, c'est La deuxième chose, c'est vrai, il y a des contrôles physiques opérés par les services contentieux, mais quand on regarde des initiatives très louables par rapport à l'évolution du monde, sur non seulement l'existant, mais particulièrement sur la question des normes. La VCN a été créée. Il y a des activités de contrôle de qualité de produits avant importation. L'opération a commencé, mais très rapidement, ça a été étouffé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement il y a un problème d'engagement politique fort, mais aussi il y a de l'influence politique. Parce que par rapport à ce service, c'est l'influence de commerçants sur le politique qui a fait en sorte que c'est l'exercice engagé par l'AVCN par rapport au contrôle de qualité des produits avant importation a été étouffé de facto, le décret a été approché. Donc, de façon globale, quand on regarde, il n'existe même pas un programme réel de contrôle de qualité des produits de consommation au Niger. C'est vrai, il y a des, des services. C'est vrai, ils sont là. Mais il roule sur quel type de programme et avec quel financement. C'est surtout ça le grand problème. Il n'y a pas d'engagement politique fort dans ce pays. Et là, je crois que en tant qu'association de contrôle, euh, plutôt de, consommateurs, nous avons un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, c'est un rôle complémentaire par rapport aux services qui existent. C'est pourquoi très souvent, nous intervenons et à travers les médias, mais aussi à travers leurs services, pour dire il y a ce genre de problème. Et peut-être aussi un des aspects que je n'ai pas évoqué par rapport au contrôle de qualité, c'est que nous sommes un réseau mondial. Et nous, nous échangeons des informations par rapport à la présence dans le monde ou à la circulation dans le monde de produits de mauvaise qualité. Et le plus souvent, quand nous avons ce genre d'informations, nous informons qui de toi, particulièrement les ministères techniques. Les ministères techniques, c'est qui C'est le ministère du Commerce, c'est le ministère de la Santé, c'est le ministère du Développement industriel. C'est les, responsables les plus haut niveau, euh, primature, présents de la République. Nous le faisons de temps en temps. Mais nous avons l'impression que ça ne dérange personne par rapport en tout cas à cette question de qualité de produits de consommation. Ce qui fait que malheureusement, en tout cas, ça reste le parent pauvre de tout le fonctionnement de tous en tout cas, les services qui fonctionne dans notre, dans notre pays. Et je crois que on a beaucoup de travail à faire en tant qu'association, mais on a aussi beaucoup de travail en partenariat avec les services techniques pour dire que il faut avancer, mais comment avancer Là, c'est des stratégies peut-être qu'il faut encore développer. Merci. Donc, euh, Monsieur Issia, est-ce que vous pouvez nous dire euh, les produits alimentaires euh, qui sont soumis à, à des contrôles Ok, merci pour cette question. En ce qui concerne les, différents, euh, les différentes denrées alimentaires soumises au contrôle, je vous dirais que toutes les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine sont normalement doivent être contrôlées avant, pour ce qui concerne l'importation et l'exportation, avant leur entrée dans le pays. Et maintenant, en ce qui concerne les denrées stockées ou produites localement, également, elles doivent faire l'objet de contrôle. En ce qui concerne l'importation et l'exportation, il y a un décret, le décret 98-108, relatif à l'importation et à l'exportation des denrées alimentaires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au niveau des frontières, nos services, quand un camion arrive, normalement, il est soumis au contrôle il fait une demande comme quoi il souhaiterait qu'on lui contrôle ses denrées alimentaires, sa cargaison. Ce contrôle effectué, donc plusieurs possibilités peuvent se poser. La première, c'est que la denrée alimentaire contrôlée est de bonne qualité. Donc, on délivre un certificat de salubrité et maintenant l'importateur peut rentrer sa marchandise dans le pays. Deuxième possibilité, il est probable que la denrée soit suspecte. Donc, le, technicien, en vertu de, ce qu'il a à sa disposition, ne lui permet pas de dire que cette denrée-là est de bonne qualité ou elle est de mauvaise qualité. Là, nous faisons ce qu'on appelle une mise en demeure. On prélève des échantillons, on envoie au laboratoire et en fonction maintenant des résultats du laboratoire, donc le technicien prend sa décision définitive. Elle peut être donc un certificat de salubrité qu'on va délivrer pour faire entrer la marchandise. Mais ce contrôle peut prendre combien de temps Là, c'est beaucoup plus les laboratoires qui vont vous le dire, <laughs> parce que ça dépend de, de, de, la nature, n'est-ce pas, de, de l'analyse qu'on demande. Au cas où ça peut prendre beaucoup de temps. Parce qu'au cas où, par exemple, la, la, certaines analyses ne se font pas sur le pays, donc le laboratoire est en relation avec d'autres laboratoires sous-régionaux ou internationaux et c'est là-bas qu'il faut envoyer les échantillons et attendre les analyses. Et pendant ce temps, le produit est là. pendant ce temps, tant que ce n'est pas un produit périssable, donc le produit va être euh, euh, euh, emmagasiné quelque part et attendre les résultats. Maintenant, si la denrée a été confirmée comme euh, impropre à la consommation, nous allons saisir le produit et maintenant le détruire aux frais, n'est-ce pas, du, commerçant. À l'intérieur du pays également, nous avons des brigades, des brigades nationales. nous avons une brigade nationale dont lui, il est le chef, Hamid euh, Hamidou est le chef. Euh, d'intervention. Nous avons également des brigades régionales, nous avons des brigades départementales et des brigades communales. Donc, ces brigades-là sont chargées d'aller au niveau des différents magasins, au niveau des, des, des différentes industries agroalimentaires pour faire des inspections. Et c'est en ce moment-là, maintenant, quand on découvre un produit euh, euh, euh, impropres à la consommation. Donc, nous le saisissons, nous faisons les analyses en fonction de la situation et nous prenons maintenant notre décision. Mais également, nous sommes informés, comme l'a dit le, président de ADDC Odata, nous sommes saisis par ou les, associations de défense des consommateurs ou en tout cas de, simples citoyens qui viennent nous dire Ah, j'ai fait l'objet d'intoxication hier, donc voilà, nous décrit, et maintenant nous, nous, prenons les dispositions nécessaires. Maintenant, euh, euh, euh, je voudrais un peu nuancer par rapport, si vous voulez, à l'engagement de l'État. C'est vrai que il y a eu, à un moment ou à un autre, n'est-ce pas, des pieds qui ont été traînés mais j'avoue que euh, euh, de plus en plus, nous, au niveau de la police sanitaire, au niveau du ministère de la Santé, je dirais qu'au plus haut niveau, vraiment des dispositions sont en train d'être prises pour mettre euh, la police sanitaire dans les moyens de fonctionner. cet après-midi, je, l'apprends en même <laughs> à, à, mon ami en même temps que vous. en tout cas, il y a une correspondance, une réponse euh, en tout cas de la Direction générale des douanes, parce que le ministère de la Santé a officiellement saisi le ministère de l'économie et des finances, parce que c'était un de nos des, problèmes qui nous assaillait. Il fallait que la douane appuie la police sanitaire. Puisque nous, nous, n'avons pas une force au niveau des frontières. Comment est-ce qu'ils vont appuyer Nous n'avons pas une force pour empêcher un camion de passer. Seule la douane a cette force. Donc c'est sans ce genre d'appui qu'on a demandé à la douane. Un camion, en tout cas, peut quitter euh, euh, euh, sans, que la police sanitaire ne contrôle. Mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, ça va être un mauvais souvenir. Le directeur général des douanes a donné des instructions maintenant à l'ensemble des services de douane au niveau des frontières que désormais, il faudrait que la police sanitaire inspecte Mm, toutes les marchandises avant de laisser passer le camion. je pense que c'est un des, derniers verrous qui empêchait véritablement à la police sanitaire de faire son, travail. Maintenant, euh, euh, euh, ce qui va rester, comme l'a dit également le président de la DDC, on, va continuer à, à, plaider pour être accompagné. Parce que, quand vous remarquez, le pays est vaste. Nous avons besoin des moyens pour aller sur le terrain. Euh, nous allons y revenir. Euh, plus tard. Pour, voilà, Monsieur Hassan Hamidou, est-ce que vous pouvez nous parler des contrôles qui sont effectués sur les produits euh, produits ici au Niger Oui, comme l'avait dit Monsieur Issia, le contrôle c'est à plusieurs niveaux. Sur le marché, comme l'a dit, toute d'arrêt alimentaire destinée à la consommation humaine est contrôlée. Et le contrôle se fait de façon physique, donc pour voir euh, si la, euh, la darée est propre de visu. Est-ce que ça ne contient pas des insectes Est-ce que ça ne contient pas des corps étrangers Etc. Maintenant, le deuxième contrôle, comme l'avait dit, c'est euh, on prélève des échantillons pour faire des analyses physico-chimiques et microbiologique. Et en fonction du produit, il y a des paramètres que nous demandons. Et nous formulons une demande d'analyse qui va accompagner le produit prélevé et nous le faisons en collaboration directe avec le, le laboratoire national de santé publique et d'expertise. Et maintenant, au vu des résultats, comme il a dit, Maintenant, la décision finale sera prise. Et en ce qui concerne les fruits et légumes, comment se fait le contrôle Oui, les fruits et légumes, puisque le contrôle, comme on le dit, c'est la fourche à la fourchette. Donc, de la production jusqu'à la consommation. nous devons faire du contrôle au niveau du terrain, là où on produit les légumes, pour voir la qualité de l'eau, utilisés pour l'arrosage, les intrants agricoles qu'on utilise, donc les pesticides, les engrais et les insecticides utilisés pour le traitement et la protection de ces végétaux. Et pourtant, on voit des jardins qui arrosent leurs plantes avec des eaux usées. Que, que faites-vous pour ça Oui, si vous avez survenance une année, avec le conseil de la direction de l'hygiène, la ville de Niamey a pris des dispositions. Au mois de, Tianga, des jardins ont été rasés complètement, puisqu'il y a eu recrudescence des maladies comme la fièvre typhoïde, et ils ont pris cette disposition. Donc, euh, comme nous l'avons dit, l'insuffisance du personnel aujourd'hui et les moyens font que nous sommes limités dans nos actions. Merci à vous, Monsieur Nouri, qui êtes défenseur euh, des droits des consommateurs. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer la commercialisation de ce genre de produits avariés, euh, malsains Bon. Euh, je me rappelle d'une visite que quelques-uns de nos membres ont fait récemment sur une unité de production d'eau. Euh, n'y a aucun expatrié en train de mettre en bouteille. Et quand nous avons fait cette visite-là, la première question, l'autorisation. Est-ce que c'est autorisé Il Dit oui, autorisé. Vous travaillez avec quel laboratoire Il dit ah, nous avons notre propre laboratoire. C'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Mais quand nous avons un CDI, dans tous les cas, au Niger, le politique ne s'intéresse pas trop à la qualité. Alors on était étonné. On était étonné quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui vient faire une opération d'embouteillage d'eau, comme l'eau d'air, comme toutes les autres OAN bouteille, qui dit ça. Dit, vous n'avez pas un dispositif de contrôle de qualité et ce n'est pas le grand souci du politique. Nous nous alignons comme les autres à faire ce que nous pouvons faire. Alors, et, là, ça nous a scandalisés. Ça nous a scandalisés étant entendu que même si le laboratoire euh, la qualité doit être confirmée par un laboratoire, indépendant. Et nous en avons de l'inspex. Cela veut dire quoi Ça veut dire qu'à résumer, quand vous regardez, même ceux qui importent les produits de consommation, ils se soucient très peu de la qualité des produits de consommation. Puisque l'essentiel des produits qui nous viennent d'ailleurs, particulièrement de l'Asie, quelle qu'en soit leur nature, que ce soit des produits alimentaires ou des produits de consommation courante de façon globale, c'est des produits de qualité douteuse. Ça, c'est une triste réalité. Pourquoi Parce que tout simplement, nous avons fait une investigation. Nous avons pris en tout cas trois, trois zones. Zone frontalière, nous avons pris Kony. Marché rural, nous avons pris Baleara marché urbain, nous avons un prix communautaire urbain. Toute catégorie de produits de consommation, il n'y a pas que le produit alimentaire. Je prends deux, trois exemples. Les fils électriques. Tout le monde sait que ceux qui nous viennent sur les marchés, ce n'est pas de bonne qualité. Devant nous, à Balera, dans une boutique, à l'essai, ce fil de fer a pris peu, Moins un, toute la boutique, boutique a été, a Et quand vous regardez, tous les cartons, tous les emballages. Il y a le nom commercial. Souvent, vous ne trouvez pas le nom de la société qui a fabriqué et même le pays. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pratiquement tous les produits de consommation, sans exception, en tout cas, c'est de la même façon que la commercialisation se fait. C'est un grand problème. Nous avons fait un rapport, nous avons été financés par l'Union européenne. Nous avons fait un rapport. Alors, c'est un grand souci. C'est Quand je dis qu'il n'y a pas un engagement politique fort, réellement, il n'y a pas un engagement politique fort. Ça, c'est entre autres exemples. Euh, quand vous prenez, nous, euh, par rapport, par exemple, aux véhicules, c'est des véhicules, la plupart, c'est des véhicules usagés. L'âge des véhicules, nous avons insisté pour être dans la commission d'autorisation des titres de transport. Et là, nous avons agi sur la qualité, sur l'âge un certain moment, c'est des véhicules âgés de 15, de 10 à 15. Nous avons insisté. Vous faites les produits et les véhicules euh, rejetés des autres pays Les véhicules qui nous viennent de l'Europe particulièrement, et qui nous viennent des États-Unis, la plupart, c'est des véhicules usagés. Ah, Donc, en tout cas, la durée euh, de circulation, c'est déjà amorti, c'est fini, mais ça revient chez nous. Donc, nous avons insisté pour que ça revienne à 5 ans, de 10 ans à 5 ans. Donc, il y a plusieurs façons d'intervenir. Mais quand vous regardez les, congélateurs qui nous viennent d'ailleurs, ce n'est pas forcément des congélateurs utilisés au niveau domestique, au niveau, pas au niveau des familles, même à l'extérieur. Il y a certainement des congélateurs des laboratoires où on fait de la manipulation des, microbes. Et là, il n'existe aucun dispositif ici ou au Niger, non seulement qui détermine l'âge de ces genres de produits qui nous viennent ici, mais aussi la fiabilité et la qualité, ce qui fait que la plupart des personnes, quand vous regardez, on est arrumé. Ce n'est pas que réellement c'est le froid. Non. la plupart des frigérateurs, il y a le gaz là. Et ce gaz-là, euh, en tout cas, ça réveille, euh, en tout cas, un certain problème chimique. Et la plupart, quand vous regardez, vous consommez de l'eau, il y a un arrière-goût. Cet arrière-goût-là, il vient d'où Certes, il y a le gaz, mais il y a aussi d'autres choses. Donc, la récrédence d'autres maladies, c'est aussi lié à ça quand euh, vous regardez. Nous allons revenir euh, à vous le temps de donner je veux un peu parler de Guntiena. Oui. Guntiena, je crois que ça, va doit être en 2004. Et là, c'est venu de chez nous. À ce moment-là, nous avons des financements. Nous avons fait des échantillonnages et des analyses à laboratoire et des produits maraîchers, particulièrement pommes, euh, plutôt choux, salades, et nous avons fait aussi l'analyse de l'eau. Quand nous avons fait cette analyse de l'eau, cette eau-là, elle renferme plusieurs types de, bactéries. Salmonelle, staphylocoque, streptocoque, du n'importe quoi. Qui donne quelle maladie Et qui donne, le salmonelle, c'est la typhoïde. Les streptocoques et les, staphylo, c'est les infections digestives, c'est les infections pulmonaires, c'est beaucoup de variétés d'infections. Et en ce là ça a considéré qu'il y a tellement de salmonelles qui ont tué des petits-enfants à Niamey. Et nous avons continué de faire des analyses de toutes les sources de rejets, des eaux usées de Niamey. Non seulement nous avons, fait l'inventaire, mais aussi nous avons fait l'évaluation. Et quelle a été la réaction la nous avons envoyé, en tout cas, avec analyse à l'appui, à la présidence de la République, à la primature, particulièrement à la communauté urbaine. Quelle était leur réponse euh, C'est ça qu'ils disaient. Ça a été rasé. Et je me rappelle, euh, paix à son âme, Il disait que vous êtes responsable de ce qui apparaît parce que nous avons tout entendu. Donc, nous avons ce que nous, nous pouvons apporter. Eux, ils sont limités, certainement, mais nous, nous avons en même temps, peut-être le petit moi mais aussi nous avons la bouche. Merci, Maman Nouri. Donc, euh, nous constatons aussi que d'autres facteurs euh, chez les restaurateurs, euh, des facteurs culturels qui ne sont pas sans conséquence sur la santé des consommateurs. Il est fréquent de voir un vendeur de viande grillée, une vendeuse de riz ou un vendeur de sandwich utiliser la même main pour servir et donner la monnaie avec cette même main. Donc, que, fait, que fait vos services pour pallier à cela? <laughs> Merci euh, pour, euh, cette question. Vous savez, hein, euh, peut-être que on n'a pas. Le temps ne nous permet pas de parler de tous nos textes. Nos textes sont clairs par rapport à chacun des aspects auxquels vous faites allusion. Prenez une industrie agroalimentaire qui s'installe le décret a été très clair. Il faudrait que vous ayez l'autorisation sanitaire du ministère de la Santé. Même si vous avez, vous, êtes installé bien avant, il faut tout faire maintenant pour avoir cette autorisation-là. L'autorisation, c'est quoi Vous constituez un dossier, vous déposez au ministère de la Santé. Une fois l'examen de ce dossier, nous envoyons sur le terrain une équipe qui va faire l'inspection pour voir de manière générale, que ce soit les industries ou que ce soit les, personnes physiques, ce que nous faisons, l'accent est mis sur ce qu'on appelle les 5 M. Les 5 M, ça veut dire que la matière première d'abord. Donc on fait un prélèvement de la matière première que vous comptez utiliser. Est-ce qu'elle est de bonne qualité Elle est importée d'où après la matière première, deuxième chose, vous avez maintenant le manipulateur. Il faudrait que sa santé soit suivie, aussi bien dans les industries que euh, euh, euh, sur le, terrain, dans la rue, comme on le dit, chez le boucher, comme vous l'avez dit. On fait des, des examens. Normalement, les textes obligent à ce qu'on fasse des examens tous les trois mois. Donc vous devrez reprendre l'examen pour savoir si vous êtes en bonne santé. Regardez, vous pouvez aller acheter, comme vous l'avez dit, de la viande ou du copteau de 500 francs, vous amener à votre famille, simplement parce que la personne manipulatrice est malade. Donc c'est toute la famille qui va en pâtir. On a vu des cas où les gens ont même été hospitalisés. Donc tout celui qui manipule les denrées alimentaires doit normalement faire l'objet de contrôle de sa santé. Il y a le milieu. En tout cas, ne vous cachez rien si vous allez dans certains milieux pour regarder comment les denrées alimentaires sont produites. <laughs> J'avoue que euh, même si on vous les donne gratuitement, vous n'allez pas manger. À plus forte raison, allez euh, euh, donner votre argent pour en acheter. Après le, milieu, il y a d'abord la méthode. Quelle est la méthode utilisée pour la fabrication des produits Quand vous prenez surtout avec euh, le, carême qui vient de, passer. Vous voyez certains jus, vous ne savez pas comment on les prépare. Donc, c'est par rapport à toutes ces choses-là que normalement nous faisons le contrôle de la qualité donc, et de la matière première et la santé des manipulateurs et maintenant les ustensiles utilisés donc c'est ça qui, selon le décret, donc on doit faire ce, contrôle. Merci, Monsieur Issia. Donc, à vous, Monsieur Hassan Hamidou, selon vous, que faut-il faire euh, pour que les Nigériens, les consommateurs prennent conscience euh, qu'ils doivent éviter certains euh, produits, certains produits Oui. avant de donner réponse à votre question, vous savez, le Nigérien même ne se soucie pas de la qualité. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, vous trouvez des bouchers aux abords des caniveaux, aux abords des dépotoirs, en train de griller de la viande, mais le Niger ne se pose pas de questions. Il vient, achète, il mange, il tourne le dos. Il vient chez la vendeuse euh, du riz sur la voie publique. Vous remarquez l'eau qu'on utilise pour laver les ustensiles, tellement noire, mais il ne se pose pas de questions. Maintenant, par rapport à ce que doivent faire les consommateurs, il y a des, chez nous la sensibilisation en collaboration avec les associations des consommateurs. Devons sensibiliser, éduquer la population par rapport aux risques qu'ils courent à travers la consommation des produits de mauvaise qualité. Est-ce que le Niger le Nigérien, lui, c'est la quantité et non la qualité qui le préoccupe. Ça, c'est aussi dû à la méconnaissance des risques qu'il encourt en consommant des produits de mauvaise qualité. Donc, c'est la sensibilisation, l'éducation pour les convaincre à prendre conscience des risques qu'il encourt. Puisque la santé n'a pas de prix, mais la santé coûte cher. Et la sensibilisation doit amener les Nigériens à changer de comportement. Puisque tout est lié à notre comportement. Et c'est ça, euh, il faut un programme de sensibilisation qui sera financé en collaboration avec les médias, les radios, télé, journaux, qui doivent aider les services je pense, à travers euh, les médias, il y a des plages réservées à la santé. Si vous organisez de temps en temps des émissions comme ça, je pense que avec le temps, la population fera une prise de conscience. Comme je l'avais dit à votre collègue, dit euh, dans l'avenir, il faut maintenant faire des émissions pour permettre aussi aux auditeurs d'appeler, de poser des questions pour comprendre certaines choses. Parce que c'est ça la communication. Il faut échanger avec les consommateurs pour pouvoir les amener à faire une prise de conscience. Et donc, euh, une dernière question pour vous. Pensez-vous que la qualité de l'alimentation des Nigériens pourrait un jour changer Ça pourrait changer si les services de l'État et les médias collaborent. C'est la sensibilisation. Quand vous prenez la ville comme Paris, avant d'amener les Parisiens à changer le comportement dans la gestion de leurs déchets, il a fallu 50 ans. Et le premier maire qui a commencé à lancer, il s'appelle Eugène Poubelle. C'est son nom qu'on a attribué à la poubelle. Au début, on se moquait de lui. Poubelle, poubelle, il est dérangé, il faut placer des poubelles pour la collecte des déchets. Et maintenant, ça a pris du temps. Et c'est comme ça chez nous. Le changement de comportement, ce n'est pas pour aujourd'hui, demain. C'est une action de longue haleine qu'il faut entreprendre. Et petit à petit, on change. Puisqu'il faut persuader, convaincre et maintenant amener la population à faire une prise de conscience. Merci à vous. Une dernière question pour euh, Maman Nouri, qui est défenseur des droits des consommateurs. Euh, avez-vous des conseils, euh, autres conseils à l'endroit des consommateurs et des commerçants Vous avez deux minutes. Bon, ben, le conseil que euh, je pouvais formuler aux consommateurs, c'est d'être exigeant. D'être exigeant par rapport à, la qualité. Mais malheureusement, on a 80% de la, de la population qui est analphabète, qui ne sait ni lire ni écrire donc les produits industriels qui nous viennent ici, n'est pas n'importe qui qui peut, en tout cas, les, qui peut les, lire. Donc nous avons un devoir, comme l'a si bien dit, euh, en tout cas avec les médias, d'informer et de sensibiliser. Mais je crois que les services techniques par rapport à la question de la qualité, la question de l'hygiène, ont beaucoup plus une grande responsabilité puisque vous avez un rôle dissuasif. Les textes vous l'autorisent par rapport en tout cas à tous ceux qui font de produits de consommation aux abords des égouts, aux abords des places de mauvaise qualité. C'est votre rôle. Sanctionner. Si vous sanctionnez, les autres vont suivre. Donc vous avez ce rôle. Merci à vous, Maman Nouri, qui est défenseur des droits des consommateurs. Euh, chers auditeurs, ce sont sur les conseils pratiques euh, que prend fin le forum d'aujourd'hui, qui est sur la nécessité du contrôle de la qualité des produits alimentaires locaux et importés d'ailleurs. Nous étions en compagnie de Hassan Hamidou, directeur euh, du service intervention et coordination de la police sanitaire. Ici à Souley, chef service de la police euh, sanitaire, et Mama Nouri, président de l'association de défense des droits de consommateurs ADDC Wadata. Ce forum vous a été présenté par euh, Rahilat Soumana à la réalisation Boubacar Diallo et Ali à la technique. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangu. Prochain rendez-vous demain à 18h15 avec une autre thématique. Au revoir.